oui comme je ma ko dans sama vidéo au centre, il est en train de faire un match correct euh, parce que gis euh, franchement qui il est bi euh, donc naturellement euh, donc gis nañ a marqué mais malheureusement mais en tout cas boo xoolee Ajax Ajax franchement défensivement ils sont très solides il est en train de latéral bi di marqué gis euh, défense défenseur bi marquage deux wala milieu de terrain bi di couverture donc c'est un peu difficile pour Ilman wa Marseille trouver ko entre les lignes donc surtout Marseille sans bi surtout wa Ajax dañuy doxal bal bi entre les lignes fët fët ñu premier rideau bi jàll donc euh, accès attaque rapide il va falloir deuxième période bi bu ñëwee waa Marseille yi yëkkati niveau bi surtout du niveau intensité bi physique bi donc il faut ñu ñëw imposer ci duel yi donc pour mën a gagner nga xamante ne Ajax mais bu dul loolu dina jafe lool ci moom peut-être peut-être jaay euh, techniquement franchement il peut sortir en deuxième période plus exceptionnelle que ci première mi-temps bi.